auditeurs, auditrices, vous qui êtes à sur l'émission de Niger sur Kalangou à travers nos radios partenaires, bonjour, merci de votre fidélité. Je suis Mariam Madé, à mes côtés, Ruketo Abdraman pour la présentation. Bonjour, Ruki Fort. Je vais bien, Mariam, merci. Faisons aussi un coucou à ceux qui assurent de l'autre côté de la vitre. À la technique, c'est Mustafa Ayouba et à l'édition Adam Adawachi. Alors qu'avons-nous à nos fidèles auditeurs ce matin? Aujourd'hui, Rukaya, nous avons sélectionné une variété de sujets pour le plus grand plaisir de nos auditeurs et auditrices. Au programme de la musique, du loti, la page sport et bien sûr le flash d'informations. Dans la partie entretien du jour, nous parlerons des droits des enfants et justement, c'est demain la journée dédiée aux droits de l'enfant. Notre reporter Samira Rouafis s'est entretenu avec Zachary Ibrahim. Il est le chargé de programme à la coalition des organisations nigériennes des droits des enfants CONIT. Chers auditeurs, Rafika Taher est avec nous pour le flash d'information. Bonjour Rafika. Bonjour Rukaya, bonjour Mariam. Bonjour Rafika. Alors pour le deuxième numéro de, du Flash de cette semaine à l'occasion de la 34e édition de la journée africaine de la statistique célébrée sous le thème Soutenir l'éducation en modernisant la production des statistiques adaptées à ses besoins, l'Institut national de la statistique a organisé hier une journée porte ouverte dans les locaux de l'École supérieure de communication électronique et de la poste. Le thème a été choisi afin de sensibiliser les décideurs, les partenaires techniques et financiers, les producteurs et utilisateurs des données et le public à l'importance des données statistiques officielles de haute qualité. Il s'agit également d'un appel à la modernisation des systèmes de données pour la production, la diffusion et l'utilisation des données statistiques de l'éducation de qualité. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Alio Daouda, a réceptionné hier lundi 18 novembre un don offert par le Programme des Nations Unies pour le Développement composé de produits pharmaceutiques, de mobilier, de bureaux et de matériel informatique pour un coût global de 158 494 000 francs CFA au profit des établissements pénitentiaires du Niger. Ce don vise à l'amélioration des conditions de détention et la création d'opportunités de réinsertion socio-économique dans le cadre du programme de renforcement du système pénitentiaire au Niger. Et enfin, Alarme Fon Sahara alerte sur la situation des migrants à Dirkou dans l'est du Niger. Selon l'organisation, environ 400 personnes se trouvent à l'extérieur du camp OIM depuis plusieurs semaines. La majorité de ces personnes, dont des enfants, sont originaires du Nigeria et ont fui l'insécurité. D'autres viennent du Tchad ou du Soudan. Elles y sont bloquées en attendant de pouvoir regagner leur pays et ont besoin d'assistance. Et voilà pour le Flash 2 ce matin. Merci Rafika pour toutes ces informations. Passez une excellente journée. Merci Mariam. Chers auditeurs, dans la partie entretien du jour, nous parlerons des droits des enfants qui sera célébré demain et dans ce cadre, notre reporter Samira Rouafi s'est entretenu avec Zachary Ibrahim. Il est chargé du programme de la coalition des organisations nigériennes des droits de l'enfant, CONID. Mais avant d'écouter cet entretien, chers auditeurs, pour bien nous installer, nous vous proposons Baba Lega Tagari de l'artiste Soul du groupe MDM Crew. yeka mata yayeka arziki wanda yayeka mata yayeka jin daɗin duniya wanda yayeka mata yayeka rayuwa wanda yayeka mata yayeka kwanciyar hankali

Baban Lega Tagari est le titre de cette chanson que vous venez d'écouter, que vous êtes en train d'écouter par l'artiste Soula du groupe MDM Crew qui met en valeur les qualités dont dispose une femme au foyer. Effectivement, Mariam, il faut noter que Soul et son frère biologique Zab constituent le groupe MDM Crew qui est de nos jours l'un des groupes de rap les plus écoutés par la jeunesse nigérienne. Bon, on leur dit bon vent. C'était le titre euh, Matatagari de Soul de MDM Crew. Retour au studio après cette pause musicale et pour euh, entamer la première partie de l'entretien, le chargé du programme CONID nous parle des avancées en termes de respect des droits de l'enfant, mais aussi des insuffisances. Il est au micro de Mira Rouafi. Alors, euh, c'est la journée internationale des droits de l'enfant où en est-on par rapport aux droits de l'enfant ici euh, au Niger Justement, le 20 novembre est consacré euh, chaque année pour commémorer euh, la Convention internationale relative aux droits de l'enfant CDE, comme vous le savez, qui a été adoptée le 20 novembre 1989 aux Nations Unies par 40 majorité des membres de cette organisation mondiale. C'est le premier instrument juridique complet consacré exclusivement aux enfants. Et à l'occasion de la commémoration de cet instrument juridique, euh, l'occasion est donnée aux différents acteurs de faire le bilan, de faire le point des avancées enregistrées et des défis qui persistent par rapport à la protection des enfants au Niger. Alors, euh, pour le cas du Niger, disons que euh, notre pays a ratifié cette convention en 1990 et depuis lors, le Niger a fait vraiment beaucoup de progrès euh, en consacrant des ministères qui font beaucoup de choses pour les enfants, notamment euh, le ministère de la promotion de la femme, pour de la qui est annexé maintenant au ministère de la Santé. Nous avons le ministère de la Justice, le ministère du Travail, nous avons euh, le ministère de la Jeunesse, Éducation, Santé, etc., etc. Alors, le Niger est en train de faire beaucoup d'investissements dans le domaine sanitaire, dans le domaine de l'éducation, en matière d'état civil, euh, et puis au niveau de la justice, nous avons actuellement un texte qu'on appelle la loi 2014 instituant les juridictions pour mineurs, où nous avons des juges des mineurs qui traitent les dossiers qui concernent les enfants. La défense est gratuite pour les enfants, la peine est de moitié pour les enfants. Tout ça, c'est des avancées. Maintenant, en termes de défis, euh, le premier défi que je peux relever, nous sommes en train de célébrer euh, le 20 novembre 2024 avec un ministère inexistant dédié exclusivement aux femmes et aux enfants. C'est vraiment un recul du point de vue institutionnel, malgré le plaidoyer qui a été fait par euh, certaines organisations pour améliorer le CNSP à reconsidérer sa décision d'annexer ce ministère-là à celui de la Santé. Déjà, le ministère de la Santé est un ministère très, très chargé, très chargé, et on vient encore, on fusionne la, la, la femme et l'enfant dans ce ministère-là. C'est un recul du point de vue institutionnel. Le deuxième défi qui persiste, malgré les avancées juridiques législatives que nous avons, il reste encore des, insuffisances dans notre arsenal juridique pour mieux protéger les enfants. par exemple, euh, l'alternative à l'emprisonnement des enfants n'est pas encore effective. Comment faire en sorte que lorsque un enfant est en conflit avec la loi, on peut lui appliquer certaines sanctions, mais tout sauf la prison. Et même s'il arrive qu'on doit l'emprisonner, on doit lui constituer un quartier des mineurs. Un quartier de mineurs pour le garçon, un quartier de mineurs pour les filles. C'est vrai, pour les, garçons dans certaines prisons, il y a cette séparation-là. Mais dans aucune prison au Niger, il n'y a pas une séparation entre les filles incarcérées et les grandes dames incarcérées. Il y a toujours cette cohabitation dangereuse. Ça, c'est vraiment un véritable défi pour nous. L'autre défi, c'est l'éducation. tout le monde est d'accord au Niger que la qualité de l'éducation n'est pas au rendez-vous euh, derrière l'accessibilité même aux écoles et le maintien des enfants à l'école tel que la jeune fille, il y a extrêmement de problèmes à ce niveau-là qui doivent être réglés. Au niveau de la santé, la gratuité des soins qui a été enchantée c'est vrai, elle marche dans certains cas, mais elle n'est pas effective. Or, le fait d'accéder à l'éducation gratuite jusqu'à l'âge de 18 ans est obligatoire. Le fait d'accéder à la santé gratuitement, ce sont des droits fondamentaux des enfants. Prenons maintenant pour l'état civil. Le Niger a fait beaucoup de progrès sur l'état civil, mais les défis persistent parce qu'il y a des pratiques malsaines qui se sont instituées au niveau des états civils un peu partout au Niger où il faut payer de l'argent pour avoir les états d'atteinte pour les enfants. Et il y a une lenteur dans le traitement des dossiers, des, pièces d'état civil. Les enfants qui partent à l'école, surtout arrivés en classe d'examen, ont tout le problème de ce monde. Les parents seront obligés de bourser beaucoup d'argent pour avoir euh, l'accès à ces pièces d'état civil qui constitue le premier droit d'un enfant, c'est l'identité. Donc, le Niger a fait du progrès en termes de, taux de couverture et le taux de délivrance des, actes d'état civil, mais il y a des problèmes qui persistent un peu partout sur euh, l'accessibilité à ces documents, la, la gratuité de ce document, bien que déclaré par les textes, mais dans la pratique, ce n'est pas gratuit. Voilà, chers auditeurs, avant de poursuivre la deuxième partie de notre entretien, marquons une pause pour écouter une deuxième musique du groupe de rap Honest avec les titres. qui je te laisse annoncer les titres. Jump les titres honnêtes, chers auditeurs. Entamons la deuxième partie de l'entretien sur les initiatives que la CONID met en place pour faire connaître aux enfants leurs droits et les défis auxquels la coalition est confrontée. Zakari Ibrahim au micro de Samira Rouafi. Est-ce que les enfants ont connaissance de leurs droits grâce à CONID oui, nous avons beaucoup d'initiatives aujourd'hui qui nous permettent d'apprendre aux enfants de leur faire internaliser leurs propres droits. Dans un premier temps, nous avons aidé à la mise en place du des d'enfants et de jeunes. nous organisons des séances de formation à ces, enfants sur leurs droits, mais aussi sur leurs devoirs et surtout sur le voie de recours en cas de violation de leurs droits. Nous euh, organisons aussi les enfants dans des plateformes numériques, c'est des groupes WhatsApp, où les enfants interagissent entre eux avec des adultes qui sont des coachs qui peuvent répondre à leurs questions, à leurs préoccupations. Euh, quels sont euh, d'abord les obstacles que vous rencontrez euh, pour assurer à les enfants leur connaissance sur leurs droits Oui, les obstacles que nous avons pour mieux faire connaître aux enfants leurs droits, c'est la langue. La langue maîtrisée souvent par les enfants, c'est la langue nationale. Nous n'avons pas ces droits-là traduits dans toutes les langues. Il y a eu des efforts pour traduire la CDE qui la Convention relative aux droits de l'enfant et la Charte africaine sur les droits et les biens de l'enfant qui a débuté en langue Hausa et Zarma. Mais qu'en est-il des autres langues Donc, euh, il y a un problème ici pour faire passer le message aux enfants avec leur propre langue. Même les documents traduits en langue Hausa et Zarma, nous n'arrivons pas toujours à avoir euh, des interprètes qualifiés pour euh, mieux passer le message à l'endroit des enfants à l'occasion des rencontres qui sont organisées dans les villages euh, entre les animateurs et les, et les groupes d'enfants. Comment impliquez-vous les enfants dans le processus de décision les concernant Bon, vous savez, un des quatre principes fondamentaux du droit de l'enfant, c'est la participation, la prise en compte de l'opinion de l'enfant. Lorsque l'enfant fait preuve de discernement, il est bon qu'il soit écouté d'abord dans sa famille, dans la communauté et au niveau des collectivités territoriales, même au niveau de, de l'État, dans les différentes rencontres. Mais les espaces qui sont offerts aux enfants pour faire passer leur propre message, pour faire entendre leur voix. Ces espaces-là sont réduits au Niger. Et il y a quelques rares opportunités qui sont données aux enfants de s'exprimer directement. Et même s'ils s'expriment, ce n'est pas toujours évident que leurs préoccupations sont prises en compte. Donc vraiment, à ce niveau-là, il y a des défis. Et quels sont les principaux défis auxquels les enfants sont confrontés euh, au Niger quand on parle de droit à l'éducation, euh, à la santé, euh, à, la survie, de, de quoi manger, tout ça là Quels sont les plus grands défis auxquels les enfants sont confrontés aujourd'hui Le premier défi par rapport à l'effectivité de ces droits-là, eh, nous avons des insuffisances dans nos textes de loi pour mieux protéger les enfants nous avons aussi eh, l'application des sanctions qui sont prévues lorsque les droits de l'enfant sont violés. Cette application-là n'est pas totale. Ça, c'est vraiment des défis. L'autre défi au niveau de l'éducation, comme je l'ai dit, l'accès est en train d'être garanti, c'est vrai, mais c'est du point de vue quantitatif. Du point de vue qualitatif, les enfants ne sont pas en train d'apprendre de, eh, dans un système éducatif de qualité. Et il n'arrive pas à être maintenu dans le système. Nous assistons à un, taux de décrochage scolaire très très monstre et qui fait peur, euh, puisqu'on s'interroge sur la conséquence. Euh, et puis, qu'est-ce que ces enfants-là vont Sur le plan sanitaire, il y a une gratuité qui est instituée, mais cette gratuité-là n'est pas effective. L'accès au centre de santé n'est pas au rendez-vous de la plupart des villages de ce pays. Ça, c'est vraiment des défis par rapport à ces principaux droits-là. Alors, comment est-ce que votre ONG, je vais dire CONID, euh, répond-elle spécifiquement aux besoins des enfants vulnérables Bon, nous, ce que nous faisons eh, en tant que coalition, c'est un travail de plaidoyer que nous faisons à, l'endroit de l'État, mais aussi eh, auprès du collectivités territoriales pour non seulement les amener à rehausser les budgets consacrés au secteur social de base, à la protection des enfants, mais aussi à rendre effectives les dépenses puisque prévoir une ligne budgétaire est une chose, faire les décaissements pour faire les dépenses en faveur des enfants est une autre. Ensuite, nous faisons également des actions de renforcement des capacités auprès de l'État, des collectivités et même des enfants pour mieux connaître les textes internationaux et les obligations et ce qui est attendu de chacun, les rôles et responsabilités de chacun. Nous faisons également ce qu'on appelle euh, l'accompagnement technique au niveau des collectivités territoriales pour une planification et une utilisation sensible aux droits de l'enfant. Et nous faisons euh, la promotion de la participation des enfants aux instances de prise de décision les concernant. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire de notre émission Le Niger sur on va parler de santé. Oui, Mariam, pour faciliter l'accès aux soins à la population, les autorités nationales ont créé des centres de santé intégrés dans les cinq arrondissements communaux de Niamey, la capitale. Dans un des centres visités de Kwartegui dans le deuxième arrondissement par notre correspondant, les patients et les agents de santé estiment que l'accueil est satisfaisant. Néanmoins, certaines femmes rencontrent des difficultés à lien avec la prise en charge souvent lente des malades. Le reportage est signé Kader Amadou. ne ɲamai kan buguwa me dinga mera ina loktor kwar kain kain yanka kan sigine CSE ansar kinaga nan kan dai al'umma i ga safar kan nan janta komai mu koy gudu dogonai amma kulun da dai bata mai dirra sa janta komai halakka son mu da goiterai in koy ga kuban da sandai yan nganda a gamara wana wana wai borai kambo wo kai bifo kai kole le tor ko man dai kulu kal ku ni ya hanna ki te irse ai kai ne konda kan sinda bani ina guna ina piciro ta se ina im ko kasuba ir kasuba haya kan sande gidi da gidi zera zera da ni giga hali goyo sinti ni bokai za su wani tikata ne di go gidi go gidi go kanin faga hali gi sinti nga dai no go go boy ta ban zai sta gi sinti ne da man ta di ko safarawo di ban sinti fitin kul sino ne go go doga nay mo son alhamdulillah lai son wo doktor ko arado safarawo fi sibidillah dogo nay te hayara son wo dogo nay te gidi sinti na dini tare wallahi fi sibidillah gi borai ko bai dugo bore wallahi dibore ka igi kubaini igi hamo simo simo kasinde tuna asin fitina ay um bagu du masada loktare wallahi um bagu bo famandi mo mos moso igi bo lakalo kanandi bani bina sarno igi swagin famandi mos moso mos moso way bore yo sanno banda iri yegi ye loktare nan nankanga mo ir ko gi ha sande ki gogdi ngai mo tu yango ki terse ngai kambo haramu ne ya ay kul kanga tirin na ir ga bamo bore kan yanga ka loktor ko ar im ka de lakal kanai mi sidi loktor wi ko tongu gi lakal tune mendi on kul doktor ko kul ko kan don ko din tedde la kalkane ne de doktor adan ga faham de cere amma din ka da sakulla ga wo win din duniya aste ner kan de gent ko dai ni hin su zam do bora ka son lokoto karar gon ga jamaga zam bora ndi to kai ni gama rim bin ga sizera me gent fo mo go no kan bora yi sina mi zaidir gum bono dir gunir ga nam sizera directement din ka no fudda zam gent yi goga cergini yanti yan kan gono bora gen gidi dingi chaka bora gono ka dini ger ka yadinga de bora idin kul gono bora kan yi din dole ingano iga samugo danga wasu sai ne kore gi hinde ker sunno kulagati jento ko ba ne no wono ni loktora tan ko bluzo gono ngani gi hin suru za kew yondo ni ga ka sai dig jento kom ka dindu kube kube yan hande doro ne ka kan de gera kul gidira doro gaga ni mom ta sai ta hankan nin kan loktora amanti me irgo gidi a kul jento kom ibumbo afon gono di ka iginu wono hay kul sikiste me ai bai bor foya amma aiwa babu rana wo ai girgun dai no kan nan ban ai min safan na muddiya ai wa da stun ai kulu da mai bai kan do dai no ko kasa kai doktor hasan no banda ir ko gi jant kom yangar doktor ko araira nan kai ko gi ha ya mar yanki kan na kan nan ngan da doktor ai ma ko gi du sab goyo mu dugu bori amate halaka son mo doktor yango ira kir ko gi ha ngai mo wadin fondara tu yango ki ne noniya kan sin da bani ka doktor ko ara ya dinga bor him bor mi lekale kanandi ga doktor gan zam doktor a wogin goyo bai o mi ba dorgo burga bor mu hin suru zam suru no ga haya kulti ngano doktor mo gudu lokaci kan gabor saja wa mu bori amma din kanin fitin tunan didi lakkar tunai doktorasi. dir ko ne kanan di barkan gin goyo wani reglima bai bon wato din wo kai bo aran gihin kwai charbandi to din ka gar boramu har ka akal suriya din ga didi boramu ga sala amma wallahi doktor go hin sur fis bidillah irgo sabisi ga din dai sim nga mu imdu hanke do ko foki da hayo do dogare di bore sai din bore no ga din im temoso so im taga ka goyo sinti inga dai no debo mo koy za satta wal sisa kal kal hali onza halig sintin ngada tin masala dubor kal doktor kwa ne kaga jama gar suru naran daran hin suraran kudi ga safara fofo wara kulmu dungu dukna irma bai kan doktor kwa kain ne wo ki ka irse kan gana irma dugudu doganai no kan ne doganai mo ane dole ni hin suru ci a wo borai do hare kambo ga ka doktor do hare dole kala irma hin char suru kan gana goyo madugata ambori C'était la rubrique hebdomadaire en marquant une pause musicale avec notre sélection musicale, le groupe Akazama de Dougandouki qui nous chante Mata. shi yana taushi ga wani da kwafilan shi daidai da jiki ne ya sa su yana kumbura abokai na kallo ashe yaro ba mutum ba sai in ya girma a koya mishi tarbiyyar da ke unwani ne mata bure a don gida duk yaro na wurin uwa ta da uba ne N'échetez jamais des salmots à vos et à vos enfants, car qui aime sa femme et son enfant, lui-même. quand une femme se sent aimée par son mari, elle éprouve un sentiment de joie et de liberté. Quant aux enfants, ils se sentent en sécurité et peuvent s'épanouir complètement. diyar da ke unwani ne ashe wasu mata suna cikin huma da banza ashe wasu mata suna cikin aikin banza suna aiwa su bar su kan titi a banza ɗan yaro bai da hankali bai da azanci sauransu suna bara gare aikin ƙarfi yau sun bi ta duniyar ga lalata su mata a adon gida bude haske gida in ba mace ya zama aikin banza. mata su ne gida su ne gida in ba mace ya zamo aikin banza ya zamo tamka Voilà, chers auditeurs, après cette pause musicale, passons à l'écho des régions qui nous amène à oui, à la découverte des activités du chef de canton de Bandé dans la région. En effet, Aboubakar Yahya Louché, chef de canton de Bandé, pratique le jardinage en dehors des travaux champêtres, non pas dans un but lucratif, mais pour assister les personnes dans le besoin. Il explique sa motivation au micro de Maki Ousseini, rendu au studio par Shina Souman. ranka ya daɗe muna so kai muna bayani akan noma da kake ci gaba da yi duk da wannan matsayi da kake da shi noma sai in ce na gade shi tunda marigayi tsoho alhaji ya lushe duk wanda ya san shi a gona ya san shi to kenan sai in ce na yi gado na biyu soji ne ni allah ya sa kuma na gadi shi wannan tsoho na alhaji ya lushe to duk wanda ya ji an ce soji in an ce soji dai an ce aiki babu ɓoye-ɓoye a wannan magana to tun ina can ba na wasa da irin wannan abubuwa tun da a yanzu haka akwai itatuwa wanda na dasa a soji suna nan sun zama tarihi to kuma sai allah ya sa da na zo gida sai na ga akwai dama ta a yi shi sosai a can inda na fara a yi maza a ce ruwa yana wuya inda nake to kuma da na zo gida sai nake ganin shiga shi a hili ruwan baka mita biyu ko uku wani bi ruwan ma a kwance yake sai na ga to lalle in aka yi amfani da wannan dama itatuwan za a sa su sosai aikin gona za a yi shi aikin garka za a yi shi to shi ya sa na tarki wannan abu dan al'umma ta gani dama na tardo mutane ne masu wannan kokari to 'yan magana suke cewa da na gaba ake ga zirhin ruwa to sai na ga in na dukufa cikin wannan abu in sha allahu za a rarrage abubuwa da dama zan buɗe wani ɗan tsokaci kaɗan in ce muku to ni dama mutum ne mai son motsa jiki ina ƙwallon ƙafa sosai ina wani motsa jiki da ake cewa kwando kuma ina gudu to sai na ga gami ɗaya allah ya yi da ni sarki in na ce gami ɗaya in tsaye da wannan abin jikin tambaya ta zai kenan wata dabara ce ta ci gaba da motsa jiki kasancewar yanzu ba zancen a buga kwallon kafa ko abin da ya kama da haka a ce gani ina sarki hallo na ci gaba da kwallon kafa abin zai zama <laughs> abin dariya sosai na ce to kenan bari in dukufa akan wannan noma motsa jiki ne gashi akwai lada kuma insha Allahu ya zamo abin kwaikwayo tunda kamar na gaya muku tar da al'umma ce wadda a cikin wannan abin take tana yin noman rani tana yin noman damana na ce to insha Allahu bar mu kama abu kuma gashi na tahiya tunda lokacin da na zo ni kwatanta na yi gona zan mai da garka mutane suna ga kama abin bako ne tunda mafi yawa gani suke ita garka sai a korami mai tabo kuma da ruwa to ni kuma sai na wa al'umma a kan tudu abin yana yiwuwa musamman mu da muke da ruwa a kusa sai na fara da wani heli mai hwaɗin gida tunda an ka ce ka runguma abin zai ba da wahala kuma misali ne muke nan muna yi don al'umma ta gani ta kwaikwaya kenan nace zan hwara da kaɗan hal a buɗe ya zamanto in za ka kwaikwaya ya yi daidai ƙarhinka inda sahani buta za ka iya ban ruwa inda bokici zaka iya ban ruwa inda tano zaka iya ban ruwa daidai karfin ka dai to ni da kaina sai na hwara da kama hwadin gida tun ana ganin abin baƙo ne abin bayyayuwa wata ɗaya wata biyu mutane suka ga wuri yana tsanwa yana tsanwa yana tsanwa har mutane suke zauwa da kansa su gani mutane suka gani deja an fara cirar wannan abu yanzu dai har a kaɗan ina kan eka kama talatin to ranka ya raɗe waɗannan kayayyaki da kuke nomawa sai da su kuke yi ko ya kuke da su ba sayarwa ba ake al'umma gare mu wadda lalle akwai masu bukata to a takaice dai sai in ce in na yi kawai al'umma ce take daukan shi wannan kuma al'umma ake rabawa za mu ci a gida e kuma abin da ya saura sai a ba al'umma kuma musamman ba dawal ma akwai wanda ɗauka ma za mu yi a kai musu tunda mun san bukatar ta kai a kai musu banda wanda za su zo da kansu su amsa eh gaskiya ba sai dawa muke ba tunda bakin gulgudu ana yin hatsi ana waki ana dawa ana gujiya kuma harkar garka ana yin kankana bakin gwalgwado ana yin zogali so shi musamman ma ina ga mutanen sun hima bukatar shi sosai zogalin ana dawal masara ni da kaina bana dawal masarar na ta bani mamaki tunda hal akwai mai goyo takwas akwai mai goyo tara hadda mai goyo goma na ga guda wadda ita goyo goma ta yi dawal masara kuma a kan tudu ne aka yi ta abin mamaki da da hwari ai kama an mana wani wankin kwalluwa kasar mu batta da kwari kasar mu ba ta iya daukan wasu abubuwa to abubuwa ne da ya kamata mu maida su shari daya duk abin da ake iya yi a wata ƙasa yana yi a kasar mu Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Chers auditeurs, si vous venez de nous prendre en cours à CLR à Disport et notre chroniqueur du jour Adam Sariou est avec nous dans ce studio. Bonjour Adam. Bonjour Mariam, bonjour Ruki. Bonjour Adam. Alors Adam, revenons sur les éliminations du MENA national dans le cadre des éliminatoires de la Cannes à Maroc à 2025. Eh bien, le MENA national ne parvient pas à se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 malgré une belle victoire de 2 buts à 1 sur les Black Stars du Ghana. Écoutons la réaction de quelques supporters du MENA réunis autour d'une fan zone ici même à Niamey. On a vraiment bien joué, mais prochainement, il faut se dire que les qualifs se jouent sur les Montanais. La première chose que je retiens, c'est que je faut que déjà nous sommes des joueurs. On a eu un réveil peut-être un peu tardif, mais au moins on a eu deux victoires à la fin. Ils ont vraiment mouillé le maillot, on a vu qu'ils se sont battus pour leur, leur pays. Mais on on doit quand même retenir que les qualifications ne, se jouent pas que sur deux matchs. Les qualifications se jouent sur euh, toute la campagne, sur six matchs. Dès le début, on avait joué de cette manière. Aujourd'hui, on allait faire la fête jusqu'à la fin de, l'année. Et Adam, quel est le point positif de cette euh, victoire pour moi, cette victoire renaît des grains d'espoir autour du MENA qui peine à convaincre son public depuis sa dernière participation à la Cannes 2013. Chers auditeurs, c'est l'essentiel de la page sport de ce deuxième numéro de la semaine. À demain pour d'autres informations. Merci Adam, chers auditeurs. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou. Il est 11h passé des 40 minutes et c'est l'heure du portrait du jour. Oui, Mariam, aujourd'hui, dans la rubrique Portrait, nous braquons nos projecteurs sur un jeune entrepreneur du nom de Wassila Salou Gagara. Son domaine de prédilection, la commercialisation de jus. Âgée d'une trentaine d'années, Wassila Salou Gagara, pour vaincre l'oisiveté, s'est lancée dans la production et la vente de jus naturels fait maison. Pourtant diplômée, titulaire d'un master en ressources humaines, Wassila n'a pas attendu d'être recrutée à la fonction publique, elle raconte. J'étais là assise à ne rien faire quand je me suis dit pourquoi ne pas faire du jus naturel vu que déjà c'est un travail qui me plaît et on a tout le nécessaire pour le faire. Et aussi, j'ai fait mon stage à la chambre de commerce où je vois pas mal de jeunes être formés. Du coup, je me suis dit pourquoi ne pas me lancer aussi. Quelques jeunes clients en témoignent du bon travail qui fait aussi la Salou Gagara. Elle fait vraiment les produits avec euh, grand amour, avec dévotion et tout ce qui va avec. C'est le fruit bio cueilli des plantes qu'elle utilise pour faire le jus. C'est bon, et c'est sans substance nuisible à la santé. Le chemin est semé d'embûches, mais cela n'a pas arrêté la jeune entrepreneur. Elle partage un message puissant aux jeunes de ne jamais baisser les bras, même face aux obstacles. L'appel que je lance aux jeunes, plus précisément aux femmes, c'est de ne jamais baisser les bras. Certes, l'entrepreneuriat n'est pas facile, mais on ne va pas lâcher. Tout ce qui te plaît, il faut te lancer dedans. Il y a pas mal de formations qui t'aideront à réaliser tes rêves. Aujourd'hui, Wassila est bien plus qu'une entrepreneur, elle est une source d'inspiration pour celles et ceux qui veulent réaliser leurs rêves. C'était là un portrait réalisé par Maria Madi. Voilà, chers auditeurs, euh, un autre tour à musique avec ses euh, titres titre de l'orchestre National. baga amma wo kirkwai ba munafikai alhaju dai mihiman dai zai mana tari komai hai dugudugi zai ere bar kula masu hirgada muna bar kai hirgada nindin er ga muri mini masara nin kan mani hirgaka nindin darsha imir karkasai munafikai yarbai ga hodal hadai da banda bare mai kargasai aro ai min hodal hadai da banda bare mai kargasai alhajo jai hirbai ga amhana babare mo amhana babare mo ai remo ba majaci ba remo ba majaci ba almai da danni mola da mola goga he gun sangai nahi ga wani turwa Would you buy kamar guna isi ba ture mun ga ga mama, ai da bai mushara mamma no ba me mes man ni go wala binde mun no aiga ga bo maradi dai ga na ru isa tulu zubere isa mata bai amma isa mata bai fada ro fana ga saidu hero te ni bai te tiro senke senke shisha do te ga sure shisha do ine te ga naru ala bor ku ko falo sida do do ko tala man ibu na sera te ni bai wala man ro higa koy ala mai do holo no higa koy bo ma holo no te ni bai bai ma mamma fofo Fergala di ma fofo chana haba kanna mana ga chana daranzi tero mana harunda tero porfo arani nigo alamai da danni mola da mola goga he gudu sandai ma koi uji bale bale uji bale bale uji bale bale uji bale bale uji bale bale uji bale bale uji bale zaga maraguna hisiba alagora kimbi ga zaga maraguna wai gora kimbi ga zaga maraguna ai sali ai sabata ene bai adamu o mari su wani chorano ki tambo ai de tene bai batura mandigo na sera tene bai daga Allah ne yake bo daga Allah ne yake bo ai ne mutane bai wallahi gudunfa ma baniga hamsa bari wata zakariya sinar hodo munafike alhajuje muhimman dai zai mana tariko mai maliki ga wani higa kwanye ai ne maliki ga wani higa ya laki tani bai isa ai ne tani bai transitero harunda kaise kun bebe kurinya nobo madina kurinya nobo suzu mannego hadina finga tene bai almaida danni mola de mola goga he masoud sallai na ga dur gudurwa lakke ken ruk ruk ruk bale bale hoje bale bale hoje bale para tribunal walaula ayo sadamar guna hisiba walbin da mana ga halai ga fahimma koyi bakar ballai zo mata ni bai azizi illa azizi nai mace azizi illo azizi ta bai mena illo musudu wani carano wani da mana ga na higa zumbu marabi dute ni bay, azizi jiri mandigo bani bani bani bani bani bani Guru fama bani marga mar sandezo aiki me wai ne teni bay. Guru fama suji ali pulla fofo alamai da dandi mola da mola zo ga hebo kun sannai dodurwa rakikak rakikak Et maintenant, place à notre euh, rubrique Loti qui parle d'odeur corporelle. Une odeur corporelle excessive signifie qu'une personne dégage une odeur forte et très désagréable due à la transpiration ou à un manque d'hygiène. Comment se débarrasser de la mauvaise odeur corporelle Élément de réponse dans ce loti du Desk Pharma du studio Kalango. Hey mai mota mai mota dala ɗin da ka taso wai la haula wanga wanga mota wanga mota akwai wari wai ke hawa ya kike ina zaki haka Tsayake dai yana zuwa zan neman gawayi da ɗan turaren wuta in sa cikin wannan ɗakin namu. A'a, cikin wannan zahin kuma aka gama turaren wuta ba sai ɗakin ya ɗume da zahi ba. Ai ke dai saboda zahin ne ma ke dai tsaya in ƙari ina zuwa ni da ke ma ya kamata mu hira. To ba matsala sai kin dawo. Kai kai kai ɗakin sai kamshi yake gaskiya hawa mun gode. Ai ba komi, to yanzu idan ba komi zauna mu hira ko? To ina sauraron ki. To, Hanna, kin san dai ina kaunar ki sosai. Kuma da fatan abin da zan faɗa ba zai miki ciwo ba, amma gaskiya ya kamata ki sake turaren ki da man shikinki. Turare ko man shikinki cikinsu guda gaskiya ya kamata ki sake wani. A'a, me kike nufi? Na yi baki ne koko turaren nawa baya da kamshi ne sosai. Eh, to ba baki kika yi ba, amma abin da nake nufi shine wallahi iskan jikinki ba daɗi kuma shi ke aune mana dukkan ɗakin nan sanan ba daɗi sam la ilaha illallah da wasu sallallahu alaihi sanan kira na zaki a tsakan ranan nan don ki ce mini wai wari nake yi wai me kike ɗauka kanki ne kin aza ko ni ban wanka ne ya haƙuri hanna ba haka nake nihi ba kin san cikin wata azumi muke kuma cikin wata azumi wallahi wasu iska ba daɗi idan mutum na shakar su musamman ga mai azumi idan mutane na rayuwa tare dole sai ka rika tunawa da saura kin ga dai wannan biron tare muke mu biyar ko to duk kowa ya tahi in kika lura daga ni sai ke kaɗai mun kai saura ai sai ki tambayi kanki me yasa Allah sauki kina son kice saboda ni ne suka bar wurin wallahi ni wa ban jin shi sosai wa iskan nan ake baki iya jin shi da yake shikin kini kun ba ke kadai bace ba cike irin wannan halin kowa na iya yawo da wani iska mara daɗi a shikin shi amma gyaran jiki shi ke sa ba a jin na wasu ki yanzu wani irin gyara kike ma shikinki gyaran jiki kuma mm ni ho ko wani diban gashin hamata ho ni ba ni kuma da yake azumi ne ba na sa turare sosai to ai ko azumi ne ko an ce dai ba a sa turare sosai akwai gyaran da mutum ke iya yi domin rage wani iska da wani zuwa musamman a cikin wannan lokacin na zahi. Misali, sai ki samu duk kusurwa da jikinki inda gashi ke taruwa kamar hammata ki aski. ki samu ɗan lemun tsami ki goggoga a ciki. Da shi da duk inda kike ganin zufa kan iya taruwa wajen. Sai kuma bicarbonate, shi ma kina iya ɗan goggoga shi ga jiki sannan ki wanka. Wannan duka yana maganin iskan shiki. Mm. Hmm, ai ban san da wannan duka ba kuma ban san da wai iskan jikina yana nan ga matsa mutane ba gaskiya wani abokan aiki na mu sai na nemi su gawaga yau dan shi ne ina cikin mota mota haya na shigo sai na ga mutane na ta kallo na wani iri ana zuba mini harare tana yiwa iskan jikina ne suke ji ah, tana yiwa wallahi tana yiwa hanna tunda kin gani dai cikin biro da cikin motocin haya ko banki ko kuma wajaje dai inda mutane ke taruwa dole sai kin kula da halin da kike iya sauran mutane waɗanda kuke tare da su musamman a cikin wannan lokacin na zahi. Wallahi kina da gaskiya. Kunkuna ma sa ɗan turare ba. aikin san ba sa turaren ba. sa turaren kaka kika sa turare tunda sa turare cikin dauda kara turare ne sai mutum yayi yi tsafta sannan yake sa turare ko da dan turaren yayi kamshi Allah sarki to gaskiya na gode miki da wannan kulawa don samun ma ka zo ka tunkari mutum ka gaya mishi gaskiya irin wannan ai sai da kuzari na gode fa gaskiya hawa allah shi yasa na ce ki hakuri kin ji hanna ba dan bana kaunar ki bane sai dai dan mu gyara a ah, bai komi ni ce da godiya Voilà, chers auditeurs, c'était le loti du jour. Dans ces studios, nous sommes en compagnie de Maman Ada pour la culture linguistique. Nous allons découvrir ce que signifie le mot protéger en langue Hausa. Hajade, barka rukaya barka hakika yo kalmar tamu ta protege da Francanti. a cikin wannan watan November da muke wato muna goshi da shiga cikin lokacin sanyi kuma wannan lokaci ne yana wani iska mai nauyi da rana amma kuma in dare ya yi to za a tafka sanyi don haka ko kuma in ce ɗari lokaci ne da ya kamata mu kare kanmu domin a wannan lokaci ne ake iya samun cutuka kamar mura tari lamarin da ke iya janyo wata huka ko kuma wani babban tari kenan yana da kyawu a yau mai da hankali kan kalmar da ta shafi kariya wato kariya na kasancewa wani mataki ne na kara kai ko na kara wani abu daga wani bangare ko kuma daga wani abun da ya shafi wani abu kamar misali likita yana kare yara daga cututtuka kenan wannan misali yana da muhimmancin gaske a wannan lokaci da muke e, kuma misali kuma ya kamata mutane su kare masana'antunsu daga wato su ko kuma wasu abubuwan da ba su dace ba kenan wannan yana nuhin ita wannan masana'anta a kare ta kenan kariya ta kalma ce mai muhimmancin gaske da sannan kuma gwamnati ta ɗauko ta ɗauki wasu matakai sababi domin ba da dama ga kare sirrin rayuwar mutane wannan lokaci yana da mahimmanci da yake muna cikin wannan zamani na yanar gizo kenan idan gwamnati ba ta ɗauki matakai ba na kare sirrin rayuwar mutane to za a fuskanci matsaloli sai a yi ta tuna mutane asiri abubuwan da ake ta gani kawai misalin wannan abu da yau wakana a gine equatorial na baltazar to kenga duk wasu abubuwa ne wanda eh, ya kamata mu kare eh, kanmu da gare su sannan kuma idan ka ɗauki misali na kare kai yana da kyau mu kare kanmu musamman ma dan adam yana da muhimmancin gaske ne kare kansa kenan ok chers auditeurs si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message au 82 89 89 64 Mariam on va écouter les messages envoyés par nos auditeurs vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. ya eh, lalle kan mun Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kamo mu ita wannan studio kalangu wanda a gaskiya na jin daɗi bisa kan shirye-shiryen da ake yi musamman kuma da ake su eh, bisa kan eh, wannan harshe namu na ƙasar Nijar kamar harshe biyal kenan a gaskiya an taɓo gabas da yamma kusum da arewa jansi zansi daban-daban na wannan ƙasa tamu kenan alhamdulahi kuma shi wannan studio kalangu Eh, shirye shirye na shi wannan a gaskiya yana ƙayatar da ni musamman eh, shirye-shirye na wajen yara manyan gobe don saboda shi yaro an ce a bashi tarbiyya a bashi ilimi kuma a kula da kiwon lahiyar shi da sauransu a gaskiya muna kara yabawa da studio kalangu da ta hudu sa'a wannan ake samu ana yin wannan shirye-shirye kuma akwai abubuwa da suke katar ne musamman da ake zuwa a iske wannan fada-fada inda mutane suke zamne a ah, yi bayani da su a kai tsaye kuma ana yi ana aika a gaskiya fi sabilillahi wannan suna ƙayatar ni kun ba wannan cikin watan biyu musamman sha uku da shi ji an hudo sabon lokaci daga sha ɗaya zuwa sha biyu fasahe a gaskiya lokaci ne wanda eh, ya zama ƙari ne bisa kan wancan wanda ake na biyar zuwa bakwai na marece kenan a gaskiya shi ma wannan an yi tunani an yi nazari da aka samu aka hudo wannan abinda muke fata wannan studio kalangu Allah kara jan zamanin shi kuma bayan wannan a samu a kara huddawa wasu abubuwa wanda za su ƙara ƙayatar da mu fiye da yadda muke tsamu duk inda dan kurab kurab da dan fada fada yake da dan association ina gaida su suna na fatsima da karce daga mannata to ina gaida kowa da kowa musamman zuwa ga shirin nan da ake na mata na kalangu lalle da ba mu sauraron shi amma yanzu muna sauraron shi ɗari bisa ɗari muna so a ba shi ƙarfi bisa ga wannan al'amari don mata su rika saurare da yara musamman ne yake kawo cika tsakaninmu da yara mata kenan a rika waye musa kai na gode kuma Allah ya taimaka Allah Ubangiji ya ba da kokari a cikin wannan al'amari musamman bisa harka shaye-shaye na muna so a rika waye ma yara kai a san abin da suke ba ci gaba ba ne kenan su nema abin da zai ba su ƙarfi bisa rayuwarsa ta gaba eh haka muke fata kuma Allah shirya mana da ɗiyanmu duka da ɗiyan bisulmi Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. chers auditeurs, nous voici à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangou. Au micro, c'était Ruket Abdraman et moi-même Maria Adé. Le rendez-vous est pris pour demain sur les ondes du studio Kalangou. À la technique, euh, nous avons Mustafa Yuba et Adam qui à l'édition. Excellente journée à vous.